nous avons, souhaité euh, célébrer la femme puisque c'est le 8 mars et nous avons voulu euh, mettre en avant nos athlètes femmes qui sont des leaders et nous avons également voulu réfléchir avec euh, plusieurs panélistes sur les perspectives qui sont offertes aux femmes qui ont une déficience intellectuelle, quelles sont les perspectives au Sénégal en termes de santé, en termes de sport, mais également en termes d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle. Euh, nous avons entendu tout à l'heure euh, l'appel de notre athlète leader euh, Amina Tassé, qui est la présidente du Conseil des athlètes et des leaders et qui est revenue sur les difficultés qu'elle vit en tant que femme, en tant qu'athlète. Et elle a fait un appel poignant envers les autorités, pour que leurs besoins puissent être euh, euh, pris en compte dans les décisions politiques qui, soient, qui seront prises et pour qu'on ne les oublie pas également. La difficulté en termes d'éducation, elle l'a rappelé, euh, ils ont souvent, souvent elles n'ont pas l'opportunité de pouvoir aller à l'école, d'insertion professionnelle, de formation professionnelle, mais également du vécu, du vécu au quotidien. Elle a rappelé que souvent on les stigmatise dans leur quartier, euh, dans la société. Donc elle est revenue sur toutes ces difficultés qui font que nous avons voulu aujourd'hui jeter un regard spécifique sur toutes ces difficultés et voir qu'est-ce que ensemble nous pouvons faire avec l'appui des autorités, avec l'appui de la société civile, qu'est-ce qui peut être fait pour que ces femmes qui ont euh, une déficience intellectuelle puissent être elles aussi considérées comme des citoyennes à part entière et que leurs besoins soient pris en compte. Alors nos objectifs, euh, on a un objectif, c'est l'inclusion de notre cible, donc l'inclusion euh, des personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est ça notre objectif. Alors cet objectif, nous le mettons en œuvre par plusieurs aspects. D'abord l'aspect sportif, parce qu'on est à l'origine d'une organisation sportive, par également l'amélioration de leur santé, car une personne qui n'est pas en bonne santé ne peut pas faire un sport, euh, ne peut pas faire de sport. Également par la sensibilisation de la société, des autorités. Nous le faisons également, cet objectif d'inclusion par la capacitation euh, de nos athlètes parce que chacun d'entre eux a des aptitudes et des capacités. Et notre philosophie, c'est de dire que chaque personne a des aptitudes et il faut juste lui donner la chance de mettre en avant ses aptitudes. Et donc cela, nous le faisons à Special Olympics avec le programme que nous appelons Athlète Leadership Programme, où nous leur apprenons à être... Euh, à s'exprimer en public. Vous avez vu aujourd'hui Aminata, à s'exprimer en public, à faire, euh, à remonter leurs difficultés, ils ont leur propre conseil d'administration où ils discutent entre eux et relèvent leurs difficultés et ils, nous, en font part. Donc vraiment, notre objectif principal, c'est l'inclusion. Oui, régulièrement, euh, nous avons une hausse de notre euh, effectif. En 2006, nous avions euh, six athlètes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3800 athlètes qui sont répartis à Dakar, mais également dans les régions, puisque nous sommes présents à Thiès, à Hambourg, à Kaolack, à Saint-Louis, à Fatik à Ziguinchor, à Bignona et à Kolda. Et nous avons bien entendu l'objectif euh, pour chaque année, déjà 2020, euh, augmenter le nombre de villes où nous sommes présents et augmenter également euh, le nombre d'athlètes. Nous avons effectivement besoin d'un bus parce que nous avons des consultations médicales que nous offrons à nos athlètes dans les différentes villes où nous sommes présents. Et euh, lorsque nous nous déplaçons, nous nous déplaçons avec des volontaires, euh, généralement des médecins. Donc on a une soixantaine de personnes que nous déplaçons à chaque fois. C'est un poste euh, important dans notre budget. Donc si nous pouvions disposer d'un bus, si une, une, bonne volonté pouvait nous aider à acquérir ce bus, cela nous permettrait de réduire de manière drastique notre budget de fonctionnement en termes de transport. Et cette somme pourrait être réinvestie dans des activités beaucoup plus euh, euh, euh, génératrices d'aptitudes envers nos athlètes. nous avons fait une demande au ministère du Transport, mais pour le moment, nous n'avons pas eu de suite. santé éducation euh, formation professionnelle moy li jëm ci liggéey moy ci dem également ci euh, beddi biñ len di beddi xol bi xooleen bi ñu di xolé lolou moy difficulté yi parce que lepp li ñu bëgg def rek day jafé xam nga ñeneen yi personne valide yi ñom dinañ am jafé jafe wante seen jafé jafé du melni ñi nga xamné ñun suñu athlètes yi mooy xale ak mag yi am laago xel ñom jafé jafé yi nga xamné mom lañuy jankontor jafé jafé daal ñu ngi nonu moy éducation formation ak liggéey ci su ma ko tënkee mooy ñetti difficulté nga xamné mom lañu am ba paré ñu yok ci légui beddi bi ñu leen di beddi ak bëtt bi ñu leen di xolé Wow, effectivement depuis 2006 nous li ñu am ci athlète mi ngi yokku puisque 2006 nous ngi amone juróom-benni athlète Nous euh, ñu euh, plus de 3800 800, nak nous lañ koy euh, ci wolof ñu ngi plus de 3800 yi nga xamné avons am nañ ko ci suñu base de données té athlètes de ñu ngi Dakar nous ñu ngi également ci bir Sénégal puisque ñu ngi Thiès ñu ngi Mbour ñu ngi Fatick ñu ngi Kaolack ñu ngi biñona ñu ngi Ziguinchor ñu ngi Kolda ak ñu ngi Saint-Louis effectivement tax moo tax ñu am euh, bus pour suñu déplacement yi parce que weer bu nekk pratiquement dinañ déplacé wu dem ci dëkk yi di leen offrir ay consultation médicale gratuite di xool seen yaram te loolu day dafa soxla ñuy déplacé ay médecins volontaires nga xam ne ñooy ànd ak ñun kon nag saa yu ñu jugee dinañ am au moins soixante juróom euh, benn fukki nit yi nga xam ne moom la ñuy transporter te loolu dafa nek euh, poste budgétaire bu am bu am solo daal ci suñu euh, ci suñu budget bi bu dix poste budgétaire bu dix donc su fekkoon ne amoon ben bonne volonté bi nga xam ne bu ñu mën a bañu ñu am bus bi dina wañi lu bari suñu poste budgétaire au transport te xaliss bobu nga xamné li ñuy wañi ci transport bi dinañ ko dinañu mënañ jëriñ ci leneen ci ci suñu xalé yi ci suñu athlète yi. wa bind nañu euh, ministère euh, des transports pour euh, laj ko ben bus mais pour le moment dal amaguñu retour.